Il vient d'être 11h à Niamey, partout au Niger, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Bonjour à vous, c'est un plaisir encore une fois ce matin de vous accompagner sur cette émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 30 juillet 2023. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés Fanta Chamsou. La technique d'aujourd'hui est assurée par euh, Kader Chambiano et à l'édition nous avons Adama Dawaki et Kadija Isaka. Alors Fanta, en forme ce matin Je vais bien nous, Alhamdulillah. Et toi Ça va bien, Alhamdulillah. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, Fanta, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information qui nous sera présenté par Nafisa Adamou Sirfo. Une bonne dose musicale 100% nigérienne sera servie à nos auditeurs scotchés. Et dans la rubrique écho des régions, sinon nous restons à Niamey pour parler de la motivation pour avoir un permis il y aura également la page sport avec notre chroniqueur du jour, de la culture linguistique, du loti avec le desk femme du studio Kalangu, sans oublier la rubrique environnement. Et enfin, nous allons clôturer avec le message vocaux de nos auditeurs. Comme invité, Fanta, ce matin, nous recevons Aboubacar Gao Chefou. Plus connu sous le sobriquet de Saïd Assoumani, il est le directeur général du cabinet de négoces Rayouata de Avec lui, nous allons échanger sur comment fonctionne un cabinet de négoces. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé ce matin par Nafisa Adamou Sirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta, bonjour Sino. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a par décret mis fin aux fonctions de plusieurs présidents et directeurs généraux des structures et institutions de l'État du Niger. Il s'agit notamment des directeurs généraux et membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste à ARCEP, de l'autorité de régulation de la commande publique à ARCOP et de l'autorité de régulation du secteur des transports. Il est également mis fin aux fonctions des directeurs généraux du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, de l'Office national des aménagements hydro-agricoles Naha et du directeur général de l'Office national des produits pharmaceutiques ONPPC. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, au cours d'une conférence de presse hier 29 août, a annoncé une initiative politique pour le règlement de la crise au Niger, nous informe Algérie Presse Service. Pour tenter de mettre fin à la crise au Niger, l'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet un plan de transition de six mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu des trois ans qu'ils ont suggéré. L'Algérie a insisté sur sur l'impératif de prioriser la solution politique et d'écarter le recours à la force au regard des répercussions désastreuses que pourrait entraîner cette option pour le Niger et la région tout entière. Enfin, les éléments de la direction départementale de la police de Gouré ont effectué une descente de police dans une maison à Gouré cette semaine. Suite à cette opération, il a été mis la main sur un trafiquant de drogue, 20 cibles de cannabis d'un poids de 10,5 kg et une moto ont été saisies. La drogue saisie a ainsi été présentée aux autorités administratives, judiciaires et coutumières du département, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité de la localité. La direction départementale de la police de Gouré lance un appel à la population pour une collaboration afin de lutter plus efficacement contre la criminalité dans la zone. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons Abouba Kargao, Chefou, alias Saïd, Saïd Souman, Assouman, excusez-moi. Je rappelle qu'il est le directeur général du cabinet Rayouata de Saouki. Bonjour Saïd. Bonjour Seno. Merci. Bonjour Saïd. Merci euh, de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Et euh, nous allons parler avec vous du comment fonctionne un cabinet de négoces. D'accord, ok. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter notre première musique. Une belle chanson composée par Feu Oumarou Haderi, une chanson remplie de très beaux messages de paix et d'unité. oui, Kassar Niger, Babou Baré, le message est clair. Au Niger, il n'y a aucune différence entre les groupes ethno-linguistiques qui composent la magnifique population du pays. C'est aussi une façon de souhaiter la paix, la tranquillité et la quiétude sociale pour notre pays. chers auditeurs, après cette belle chanson, nous allons à présent nous entretenir avec notre invité du jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit d'Aboubakar Gawo, chef ou plus connu sous Saïd Asman. Saïd, bonjour. Bonjour Fanta. <laughs> Alors, euh, pouvez-vous nous présenter brièvement votre cabinet des négoces Mais avant même, pouvez-vous nous parler de l'activité des négoces D'accord, ok. Euh, en ce qui concerne l'activité des négoces, c'est un domaine, un secteur qui est un peu en développement ici au Niger. Mhm. Ça va petit à petit, les gens commencent à comprendre de quoi ils parlent, de quoi ils retournent. Euh, ça recouvre plusieurs secteurs, mais moi, le domaine dans lequel je me focalise plus, c'est le domaine euh, de prestation de services. Mhm. Voilà, donc moi, j'ai un cabinet de prestation de services. Et comme vous l'avez dit tantôt, M. Seno, ça s'appelle Raiwata de Soki. Mhm. Donc, euh, je l'ai créé aujourd'hui, ça fait plus d'un an. Donc, c'est principalement, ça parle principalement d'aider les autres. Donc, c'est un cabinet à travers lequel aujourd'hui, nous essayons d'apporter une facilité au sein de la population nigérienne. Mhm. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui n'a pas le temps de faire une quelconque activité, il peut nous, euh, il peut nous, nous appeler plutôt. Nous serons ravis d'effectuer ces ses courses, quelles que soient ses courses nous allons le faire à sa place. Mhm. Vous voyez, c'est une sorte de faciliter la vie aujourd'hui à nos concitoyens. Mhm. Voilà un peu de quoi il retourne notre société. Bien sûr, il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous, nous sommes présents, mais en gros, nous essayons en fait de faciliter la vie à tout le monde. Mhm. à travers nos prestations de services. Quelqu'un qui n'est pas disponible peut nous appeler et nous serons ravis d'effectuer ses courses à sa place. Super. Alors, euh, parlez-nous un peu hein, de l'histoire. Euh, vous avez déjà évoqué euh, les différentes activités hein, mm. que vous, vous, effectuez au niveau de, votre société. Parlez-nous un peu de, l'historique de la création. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce cabinet D'accord. L'historique, c'est très simple. C'est que en fait, une fois, j'ai été au Grand Marché. Mhm. Euh, j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait, la difficulté pour les gens de se déplacer. C'était vraiment un peu chaotique au niveau de la circulation, si je puis le dire. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faciliter la vie à nos mamans, à nos papas, mhm. à nos frères et sœurs euh, pourquoi la personne devrait se déplacer si elle peut appeler pour dire qu'elle veut qu'on lui fasse telle course ou telle course mm. J'ai également été au Sénégal, à Dakar, mm. et c'est un domaine dans lequel j'ai vu, ils sont assez, c'est trop présent. Mm. La personne n'a pas besoin de se déplacer pour quoi que ce soit. vous, vous, êtes chez vous, vous allez juste appeler, vous avez besoin d'un truc et vous allez voir en cinq minutes, on vous le livre. Donc voilà, je me suis dit, nous allons essayer de créer cela, nous allons essayer de faciliter la vie à toutes ces populations-là. Et ça se passe comment actuellement euh, Est-ce que ça marche Est-ce que la population nigérienne comprenne euh, ces, enjeux-là Oui, ça marche un tout petit peu. Vous savez, au Niger, c'est bon, c'est un secteur dans lequel vraiment les gens n'ont pas beaucoup de connaissances et de hmm. notions là-dessus. Donc ça prend un peu de temps, mais quand même, nous avons réussi à nous assurer une certaine clientèle. Hmm. Ça va mais c'est un peu lent quand même au niveau de la conception jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est lent en fait C'est le fait de tisser la confiance avec les clients Exactement, le mhm. fait de tisser la confiance avec les clients. Les clients ne sont pas trop confiants à l'idée mhm. que s'ils appellent quelqu'un pour faire une quelconque course. on va leur faire ça. Mm. C'est surtout ça. Même si c'est pour acheter des condiments euh. Même si c'est pour acheter des condiments. Mm. Mm. Que ce soit pour acheter des condiments, on peut nous appeler, nous faire ça. Vous voyez, en ce qui concerne aussi, même si la personne n'est pas disponible, pouvons partir chez vous pour vous changer les gaz. Mm-hmm. Ok. D'accord. Euh, avant de continuer cette discussion, nous allons encore faire une pause musicale. Mm-hmm. Cette fois-ci, c'est un autre, ce sera avec le titre Moumaza de Mahmoud Abdel Salam. chers auditeurs, Moumbaza, c'est le titre de cette belle chanson que vous êtes en train d'écouter. Une chanson pleine de sens et de bons conseils rendus par la magnifique voix de Mahmoud Abdel Salam, qui n'est d'ailleurs plus à présenter au public nigérien. Oui, Fanta, cette chanson qui parle euh, de la transition <laughs> décrit le comportement de certains euh, hommes qui, avant le mariage, donnent toute leur attention et affection à la jeune fille courtisée. Mais après, le mariage change de temps et de comportement. Voilà, c'était le morceau Moumaza. Retour au studio avec notre invité. Il s'agit de monsieur Saïd Asman. Alors, dites-nous, euh, quelles sont les différentes euh, euh, prestations de services que vous faites Ok, monsieur Seno, merci pour la parole. nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous intervenons. Mm. Donc, tout d'abord, nous pouvons intervenir dans le domaine du gaz. C'est-à-dire, mhm. nous pouvons aller si le client le souhaite, mhm. s'il est en coupure, en interruption de gaz, s'il nous contacte, nous pouvons aller chez lui prendre euh, la bouteille de gaz, mhm. aller lui changer ça et lui ramener ça. Ça, c'est un domaine dans lequel nous intervenons. Euh, il y a aussi le domaine de la pharmacie. Euh, si un client nous appelle peut-être des fois tard dans la nuit, c'est pas évident que les gens se puissent sortir ou bien même qu'il y ait euh, c'est-à-dire surtout les huitièmes, ends qu'ils sachent quelles sont les pharmacies de garde. Voilà, vous voyez tout ça. Si le client nous appelle, nous pouvons aller au niveau de la pharmacie, mhm. prendre le, le, produit que le client veut mhm. et lui livrer ça aussi chez lui. Tout ça, vous voyez, ce sont dans le, le domaine dans lequel nous sommes. Mhm. Euh, nous avons aussi un domaine que nous, nous, cherchons un peu à développer et à faire connaître aux yeux du, de la population, surtout ici à Niamey, c'est au niveau de la banque. Mm. En fait, euh, avec les clients dont nous sommes très très proches, mhm. ça se passe plutôt bien parce que si aujourd'hui un client a besoin de faire une transaction au niveau d'une banque et qu'il n'a pas le temps, mhm. il suffit qu'il nous contacte, nous allons venir prendre. Et notamment quand c'est un chèque, ça, devient plus facile pour nous mhm. d'aller tirer ces chèques-là à sa place ou de lui ramener. Au tel cas aussi, si en fait le client veut vraiment partir à la banque mais qu'il n'a pas le temps et que si, il sait que s'il ne part pas, genre, euh, il va venir trouver toute une queue. Mhm, il mhm. peut nous appeler, nous pouvons aller faire la queue à sa place. Le temps qu'il se libère, quand il va se libérer, il peut venir et nous allons lui laisser la place. Peut-être même si à ce moment, il va passer directement à la caisse. Hmm. Parlons de queue, vous n'avez pas tissé une relation avec les, différentes banques ou si vous venez, si c'est votre société qui arrive, on peut euh, directement vous faire passer à un guichet pour euh, rapidement satisfaire le client. Euh, oui, ça c'est un peu un développement, surtout au niveau des locaux que nous avons tissé une certaine relation quand même à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que, vous, êtes nombreux dans l'entreprise euh, oui, oui, nous sommes nombreux. Mhm. Nous sommes nombreux parce que nous sommes des partenaires. Donc, nous ah, vous avez des, partenaires en dehors même de l'entreprise Oui, en dehors de l'entreprise, nous avons des partenaires, donc nous sommes un peu nombreux. Mhm. et, comment vous vous organisez pour faire euh, la distribution des tâches. Hmm. Ok, donc euh, l'organisation que nous avons su implanter, c'est que au niveau des différents secteurs, des différents quartiers, mhm. nous avons su placer des personnes. Donc, auquel cas, quand nous avons un appel d'un client qui se trouve dans un, dans un quartier, mhm. si nous avons directement un livreur, une personne qui est libre, nous le contactons pour qu'il parte libéré, pour qu'il parte faire la course à lieu et place de ce, de ce client-là. Donc, de ce fait, il n'y a pas trop de retard en ce qui concerne l'attente pour les clients. Donc, euh, euh, si je comprends bien, vous occupez euh, tous les quartiers de Niamey ou bien c'est quelques quartiers que vous avez ciblés pour l'instant Oui, voilà, principalement les quartiers stratégiques. Ok. Oui, comme ah, il y a des quartiers stratégiques. <laughs> Effectivement, c'est pourquoi j'ai demandé comme. Oui, comme quel quartier stratégique Voilà, maintenant, quand vous prenez la zone de la francophonie, là, hmm. parce que c'est un quartier qui est en pleine expansion, donc c'est un quartier un peu stratégique mhm. au niveau de la francophonie et un peu en avant au niveau de Kouaretegui, nous avons supplanté des gens aussi. Et quand vous prenez aussi au niveau de, du plateau, mhm. voilà, nous avons aussi des gens qui sont là. Et justement, ici, au niveau de Kouarekano aussi, mhm. euh, au niveau du centre-ville là-bas aussi, au niveau du nouveau marché, du mhm. grand, euh, de la grande mosquée principalement. Ah, ok. Ok. Euh, alors, euh, votre, votre siège, ça se trouve euh, où exactement Ça se trouve à la francophonie. Ah, d'accord. Ah Super. je pense que c'est tout, Fanta, pour aujourd'hui. Aboubacar Gao vous merci infiniment de nous avoir non seulement honoré de votre présence, mais aussi et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on souhaite un très bon vent à votre entreprise. Merci beaucoup, Senou. Merci beaucoup, Fanta. C'est fut un plaisir. Excellente journée à vous. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, c'est nous à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler d'environnement. On va faire un tour à Dogondouti, précisément dans les communes de Matankari et Tankasseri, pour parler de l'agroécologie. En effet, Fanta, euh, dans le département de Dogondouti, beaucoup de producteurs agro agricoles, euh, j'allais dire, reviennent sur euh, les pratiques agroécologiques. Cela fait suite à des sensibilisations menées par certaines ONG en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le reportage de Abdul Aziz Dayouma. L'agroécologie est la pratique du type ancien de l'agriculture. Elle était pratiquée en associant plusieurs variétés de cultures dans un même champ ou en utilisant uniquement les engrais organiques. Tassiou Amani Murtala, agent d'un projet qui sensibilise les producteurs sur les pratiques agroécologiques de la commune de Matankari et d'Ankasari explique. Quand vous prenez dans les années antérieures, nos grands-parents appliquaient par exemple l'association des cultures, l'apport des fumeurs organiques malgré l'engrais chimique. Et on a constaté que l'utilisation des fumeurs organiques est plus avantageuse que l'utilisation des engrais chimiques parce que celui qui apporte des fumeurs organiques, il se pourrait même qu'il y a quelques semences de végétaux qui sont liées, qui sont très importantes. Et d'ailleurs même dans nos cultures agricoles ou bien nos cultures vivrières, on visionne de certaines substances que ces euh, espèces-là euh, regorgent. Et donc, nous, on s'était dit que c'est très important de ramener les producteurs à pratiquer ces très bonnes pratiques-là agroécologiques de leur chaîne de culture, surtout pour ceux qui ont des petites parcelles. Celui qui a une petite parcelle et qu'elle n'arrive pas à bien l'exploiter, peut-être elle produit seulement du nébé ou bien seulement du mille. Vous voyez, il ne peut pas se retrouver. Kabiri Moudi de la fédération FCNIA, explique la nécessité pour les producteurs d'opter pour les pratiques agroécologiques. menene ke sa misali mai yarda da wanga noma namu na gargajiya a yanzu misali manoma kowa ya san cewa noman da kai da wanga taki namu na gargajiya da wanda kai da wanga taki na nasara misali surtu in kasa da yawa ai kuna ji ko ɗanɗanon abincin yana canzawa ba guda bane mun sha zuwa garuruwa sai ka ji an ce a in an sa takin nan na nasara abincin nan sai ruwa in karatu ne sai ka ji an ce bai da zaƙi sai ruwa in gujiya ce sai ka ji an ce ga ta nan dai ko ta rube ko wani abu akwai wani lokaci za ku ga wannan takin da muke sa ƙwari ma wanga da suke cikin ƙasa ko gara ko wani abu yana kashe su saboda zahi gare shi alhalin kuma akwai kwarin da suna da amfani sosai kamar in kun ɗauki gara misali in muka kai wani itace ko wani kunnuwan abu ita take daddake shi ko ta maida shi amfanin gonan mu ta zama da taki kenan ta mu amfani to in mun kashe ta wa za a yi wannan aiki to shi yasa aka ce takin nan yana da lahani wannan maganin heshin sai ka gani ana hesa shi amma yana kashe wasu kwari kwarin nan kau ba kowane kwaro ba ne habbai da amfani duk da ka gani cikin duniya akwai ko me yasa aka yi shi kenan ba kowane ba ne ba za mu kashewa Quelques producteurs donnent leur avis sur l'agroécologie. maiduwa noman na na gadin gadin sai na maiduwa da ingancin abinci ka san da kai ma kanka abincin da kace tabbat na da inganci tabbatacce na ba ka shakkuncin shi wance ne inda an ka noma kuma e, bisa hauri bisa kiwon lahiya wanda an ka noma da takin zamani ko kuma ya shi na zamani shi na yiwuwa ma ya baka wata matsala maimakon ya kare ka sai kuma ya baka matsala ina son yi magana ne a bisa ga amfanin da muka gani a kan shi can wani lokaci an ka ce mana gyada tana yi ga farin hili ba mu yarda to amma sai ga shi bara an karanta shi mu mun sa taki mun sa gyada ga farin hili duk wanda aka so haka nan da yi mun sa zogale ga farin hili har yanzu tana nan ga so mun ka sata amma har yanzu tana nan tana unwaji Avec les pratiques agroécologiques, les cultures de plusieurs espèces négligées sont réapparues un peu partout, comme les fonio, les sésames, l'amarante, les moringa et autres. Le reportage est signé Abdelaziz Dayouma, rendu au studio par Asmana China. Sinon, encore de la musique pour continuer. Qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci Eh bien, cette fois-ci, euh, je vous propose Maliaro avec le titre Courmisé. Courmisé, cher auditeur, c'est le titre de cette belle chanson de Maliaro. Courmisé veut dire en zarma ceux qui partent en exode à la recherche d'un lendemain meilleur. Perso, c'est non, moi, ce qui me retient dans cette chanson, c'est la beauté des paroles et le nombre de proverbes cités par l'artiste. Hmm. En tout cas, ça fait partie des facteurs qui font la beauté d'une langue. Après cette euh, pause musicale, Fanta, on passe à l'écho des régions, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Et aujourd'hui, nous restons à Niamey pour parler de la motivation pour avoir le permis de conduire et de l'engouement dans les auto-écoles. Plus de détails dans ce reportage de Maman Ada. A Nijar samun takardar lasisi wani aiki ne mai wahala suna da yawa maza da mata da suke rubuta sunayensu wuraren koyon tukin mota domin koyon karatun kundin tukin mota da kuma yadda ake tukin mota da zumar sanya hannu kan takardar lasisi. A ganin Isufu Madugu babban manajan wata makarantar koyon tukin mota takardar lasisi wata diploma ce wanda ya kuma zama wajibi sai ka bi wata makarantar koyon tukin mota cewa da auto ecole. Shi da kanshi koyon tukin mota akwai masu yin nan saboda sana'a sana'a kamar matsayin diplom to lallai mahi yawa kashi 80 cikin 100 yawanci masu zuwa su nemi firmi ne akan diplom ne don akwai masu zuwa kuma su don tuka motocin kansu ba su da yawa musamman mata ga wani ce ma kamar yadda ake zuwa a yi karatu na boko a nemi diplom a yi aiki ne ko mahi yawanci suka yi ne ma diplom ne wanda za a nema a yi sana'a yanzu in ka ɗauki duk wani drobar kake gani ai sai ya bi ta auto ikon da drobar da ko wani minister kake gani kai duk wanda kake gani sai ya bi ta hanya wannan yayi wannan sharabawa don sai an zo an yi karatun code a tai ai sharabawa na code an samu a zo kuma a yi karatun code a tai ai sharabawa na code shi ma sa'annan a baka permi Eh, in ka ɗauka yanzu akwai waya ka samu gidan da babu mota kenan ya zama kamar dai eh, eh, abu ne ya zama ya shiga cikin rayuwar mutane abu biyu suke da muhimmancin gaske domin samun takardar lasisi su ne kundin tuki da kuma koyon tuki muhammadu mahadi mai bada karatu cewa da monita ya yi bayani kan aikin monita da kuma darussan da yake koyawa aikin monitor shine da mutum ya koyar da leson de quad de la route ana yi da turanci faranse ana yi da hausa kuma da zabarmanci akwai wahala kowane aiki yana da wahala sosai tunda akwai wa'ansu elev in sun zo ba su ba mutane wahala suna ganewa wa'ansu kuma ba su ganewa da maza maza kwa kundin tukin dai duka shi muke koya musu koyon duka iri guda ne farmasiyon duka guda ce da su da game da koyon tuki ya kamata kamata a kasance a filin koyo tare da masu koyon a cewar Muhammadu Sule. Ana yana mana bayani kan matsalolin da suka shafi koyon tuki a fili. In sun iya da kwad kenan mu ke musu kwandit kuma a farandar a condir eh muna shiga cikin circulation kuma akwai teren na zama wataran akwai ya wataran akwai sauki tunda Des fois, il y a des heures chargées comme des fois, il y a des heures non chargées. Shi des fois mutun kana samun masu ganewa, wataran ko des fois kana samun mara ganewa sai dai a hankali dai. Waɗansu dai ba ku gane juna au début, mais par après kuma ana gane, mais sérieusement quoi. <laughs> Eh tun da su les hommes akwai waɗansu magaganu kana yi musu, mais ya certaines femmes sun girma mutum, ya certaines choses ke ba kai hoda musu. In koyi kwana guda wai uku yana har ganewa. Ah ba mu samun matsala. tunda muna kwatanta mutum dalla-dalla ga yanda ake ga yanda ake musu ko suna ji ils apprennent vite to kamar a tsawon ini mutum nawa kuke koya ma tun wittar mu koya hora kwandit jusqu'à 13h donc chaque élève a une heure de temps kenan akwai mai 8h 9h 9h, 10h, ainsi de suite. Série 13h. On reprend à 15h jusqu'à 19h. Chaque élève a une heure de temps avec nous. ga masu koyo samun takardar lasisi shine babban fatan nasu bisa ga zaton samun aiki na direban mota mai cike da kwarewa mu saurari wasu daga cikin su a zo yin balur ne ta so in ci wani tana yin aiki da ita insha Allah in yi mu wani dai wallahi ba wani mishkila ba wani matsala bisan shi ana da cin wani shi kuma Allah yarda muna da rai da lahiya ba a ban so harka kanana ai ka ga permino double ga te balur don wa leje no gaise borgora borgo ba wat ma numdu experience ko tonto numdu do beera dam bor goyrade no bor kokan nam beeri o goy irkoyni fefey nonga tamaysi walma tiyadin boren gono ay isofu ngem gor biro rago goy boren mo commerçant no to imo mot funen da ta yi wani hakar ga bai ma aim ko digin deno haka kuma a nasa ra'ayi babban manajan wannan makarantar koyon tukin mota cewa da auto equal na cewa hanya mafi kyau domin magance yawan haɗuran motoci da na sauran ababen hawa da ke salwantar da rayukan mutane shine mai da hankali ga karatun kod da kuma karatun conduit sannan abu mafi mahimmanci shine hakuri idan kana cikin tuki isufu madugu yana da kyau ka san doka shi da aka yi hanya an yi mata dokoki wanda za a taya da su rashin sanin dokokin hanya shi yake kawo hatsari sosai to muna kira ga matasa dukkan wanda zai su abin nan su yi kokari su nemi wurin da ake wannan karatu na koyon tuka mota da ko tuka moto na wa hanya su ko su san waɗannan dokoki yana da kyau tun dokoki ne in ka san su eh abu da ake cewa international ba Niger ba ɗaya ne a da koyi waɗannan dole za ka tuka mota akwai waɗannan dokoki kenan dokoki ne na duniya gaba ɗaya kenan ya kamata a ce masu tuka mota su san su kuma ya kamata a ce mutum wanda yake tuka mota droba ya kamata ya kasance yana da hankuri game da eh, sauran abubuwa da bisa hanya wanda yake iya gama da su wasu motoci ne wasu mutane ne eh, wasu dabbobi ne shi ya kamata ya rika kiyayewa rika hankali da don kiyaye hatsari na hanya eh, kuma muna kira ga hukuma ga motocin da ya kamata masu ba mutane hannu babu su kamar na cikin babban birni kamar yamai inda ya kamata aiki da su fanuka babu su Eh, hanyoyin ma kana ganin ga sunan sun lalace sun yi ramu kwarai duk abubuwa ne masu kawo hatsari muna kira ga hukuma su taimaka su dan gyara saboda gaskiya a rike hatsarin hanya saboda hatsarin hanya mun lura cewa ya yi kowa ya yi komi kashe mutane da da yawan zamani Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, à présent, accueillons notre chroniqueur sportif euh, du jour. Il s'agit de Gourouza Hasumi Karimou. Bonjour Gourouza. Bonjour Sino, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors pour débuter cette page sport, nous allons parler des préparatifs d'un tournoi de Maracana. Ah oui, c'est la première euh, édition dénommée Wassan Kollo, autrement dit s'amuser avec le ballon. Le tournoi va débuter le 7 septembre prochain et prendra fin le 17 septembre 2023 sur le terrain du Parc de l'Amitié et ses 20 équipes qui seront engagées. Alors, le groupe de qualification de la zone Afrique en vue du Mondial 2026 sont connus. Oui, c'est nous, 54 sélections de la CAF, la Confédération africaine de football, connaissent le chemin parcourir pour rallier la Coupe du Monde de la FIFA. Dans les neuf groupes déterminés par le tirage, les premiers euh, de chaque poule seront qualifiés et les quatre meilleurs deuxièmes de leur groupe disputeront les barrages. Puis, le vainqueur prendra part au play-off au mois de mars 2026 afin de tenter d'arracher les derniers tickets euh, pour le prestigieux tournoi. La campagne de qualification commencera le 13 novembre 2023 pour la première et deuxième journée. Le MENA, notre pays, le Niger, est dans le groupe E en compagnie du Maroc, demi-finaliste au Qatar 2022, de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie et de l'Érythrée. Euh, pour sa première sortie, le Niger affrontera la Tanzanie le 13 novembre prochain et la deuxième sortie du MENA national est prévue le 21 novembre face à la Zambie. La bataille s'annonce féroce. tu l'as dit, Gourouza. En tout, euh, combien d'équipes nationales vont se lancer dans cette course oui, euh, Fanta, les qualifications pour cette Coupe du Monde 2026 euh, de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 formations qui disputeront la phase finale au Canada, aux États-Unis et le Mexique, ayant automatiquement leur billet en tant que pays hôte de la compétition. Ailleurs sur le continent, les éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique de football dames se jouent actuellement en Égypte. Ah oui, euh, l'honneur vient aux dames, aux dames. cette phase éliminatoire se joue sous forme d'un mini-championnat pendant trois jours, les 24, 27 et le 30 août 2023. Outre les clubs de la zone 1, 33 autres clubs euh, prennent part à cette qualification de la troisième édition de cette Ligue des champions de football dames organisée par la CAF, dont la première équipe euh, du tournoi se qualifie pour la phase finale qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre prochain. La troisième euh, et dernière journée est prévue d'ailleurs aujourd'hui 30 août 2023 entre les champions d'Algérie en titre et aux Tunisiennes de l'association sportive féminine de Chouz. Voilà pour le sport. Merci infiniment Gourouza pour euh, toutes ces informations sportives. Fanta, à présent, nous allons découvrir euh, notre star du jour. Alors, euh, tu peux nous donner déjà une idée de qui s'agit-il Bien sûr, c'est nous. Aujourd'hui, dans la rubrique Portrait, nous allons faire découvrir un jeune talentueux musicien et guitariste du nom de Adi Bibi Mohamed à nos auditeurs au micro de Mariam Adi. Adi Bibi, wo balle guitare karkono kan goni jirwacin za ka kai nuwar so wani gitar kare mo sinti nga ba bande irin irma ngana de dase he zai go zan kai na in gitar no kani bat kuru ai furfura no gudu gudi video e kan ai te ai mo gogo don don musu musu kare wani fura kan ai wani ai fatta lokol wai gitar kare ngo tawji ngo gamara futta jos ben kan ga bonda kuna dina wundu nyan ngo bobu ndi nga ba bande i kure gin giti gitar ekol da bal kare in za ku kuru ai gi murgu nangu fu ai giti ir ko konser kware kurra zandar mara maradi tawa agdes darli nangu kurne ni di didi zan ken gu gitar kar hayagi dambaran no odi seni ba zan ke kanyan ga gitar kar bi muhammad balla doni fanno wakilo gici adi baba anen ga farhan dingi zo biki yazo bicinoka alwato din isig e mai ga kani karane se baba ayo ko foro din do aina sa a to hayadin afurega kuna ko bucodo buco banda we bura kan ne burnye akaga di e ma isig man ga hamu kanu irko kan dogane il joue très bien sandei agwani An gitar annama inda fayanka afunu ingo goshenu sanda dai kambuwo na karra idon kai mudo irsto bore din ma shafa tare da su. Da furta ji gono adi gitar kar a hangan kai kula mai rana a furi gabi kai. Ilmi ne dai bibi tubo duga ko hanno izo woga. Voilà, après euh, ce, portrait très inspirant euh, rendu au studio par Moussa Hassan, cher auditeur, euh, pour, pour notre toute dernière balade en musique dans cette émission, nous vous proposons Guest Band avec le titre Koskorima. nous à présent, on passe au loti du jour, hein, qui porte aujourd'hui sur les femmes qui allaitent en état de grossesse. Dans une discussion de Rekia Arimi et Samira Rouafi, elles font découvrir aux dames qu'il n'y a pas à s'inquiéter quand ces cas arrivent. Loti, loti, ni gono i ko se ai fa bai di boni nadia jam te musu-musu i no dune <laughs> nadia gunda no gaiga su bono ai na bai kai ay kursan biya ngamo wai boray loktara na dahiran daise kan ni wo loktor no irko sai se ke se i fo na gite ai gonda a tikiri handu iyeize kan ai goga di mata na gite son nan heno nan heni ba ni ma son ce ni izo fafa ko nono ni goga no wal mata no <laughs> <laughs> oh fafa ko nuna igo gano ifa seno ne hawadi ni suwa aigo ka wadin bo ni him gin lakalo kanan dino jina ni izo kan goni sai dawan kan goka da irkoi ba hai kunno si duwai ba kan sai gunda ta gika nyangai mahim gin gai lakal tunan di kan sai igo na nan di zan kai lokta gai sine kala ba da gunda wai boga a gihin gin izu kai na nowa kala mutonan kan kwaciya si ba wa koi ne wadin ganan wa kan signe colostrum kan ga ci wa albarkanta am dugu margu hai ta kan goka si <sighs> Nadia. matano ya dinga tera ayo watu kul ne gima igine boy bor gunda koyo da gonda izka gona di. kul izo dinga te gunda kar igine kan wa lalono ya dinga na diya irko sai ai ba koy ne musai san barkasin da lakkal haya kan ma bogai so begici sanni yan dainu da har yanki banga da ingai bonga da dainin din izo akan goba ni samai nigi hinga no awa matakan ni goga na se son amma za kan ni izo a bisan da iddo a himano ni mu da ngase ngwari zu kai ni kai ne yankan sitin ya ci ne amsin tinginwa ni ba gani ai ma no ngwaro kai irgo ganwa a a ai man ni yadi ne ni him gisinti na se da koko koko yan wal mo laptan da yan ya ci ne kan sitin a ai faham wadinu wa ai hey gorgasin wallahi nin tinai zuman daibon ai sabu gumo ai ga kwik da haikan nike isi amma masiba tufa amma wago wasa din da hinai musu musu dai no haya kulig sintin da din yandin izo ne siyan odo ni mazan kai lokta gai ha ya maryam im ye ga faman dinise ngwari no ni himgin izo no am dogu beriga han ba. suba suba da ai loktar kwar ne se wodo ai no ga te bor sintinai nodin loktar kwarara hey gorga sinai sabuni se ai goga ye ai goga ma ko cha goga he zane wo ai koi beri <laughs> nya haraka kalsu gutu ai sha sabai gzu koi <laughs> ai goga today no ai fu koyo maka ai labaro to da da se ai goga bon han bo matka san sambunda hey asin di na kurfa <laughs> Voilà, chers auditeurs, c'était le loti offert par euh, le desk femme du studio Kalangu. À présent, passons à la culture linguistique, n'est-ce pas, Fanta Oui, c'est nous, car nous sommes en compagnie de Alasan Abdou, le rédacteur en chef du studio Kalangu. Bonjour, Alassane. Bonjour, Fanta. Bonjour, Sino. Bonjour. Alors, quel est le mot du jour Le mot aujourd'hui, nous avons préféré choisir la disparition, qui vient du verbe disparaître. La disparition est le fait pour une personne de disparaître et donc de ne plus être vue, visible volontairement ou involontairement. Ce choix, c'est surtout pour revenir sur le mot involontairement. Vous savez, la disparition, il y a plusieurs manières de se disparaître. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a tellement de disparitions involontaires que euh, le monde entier, à travers les Nations Unies, a érigé cette journée du 30 comme la journée internationale des victimes de disparitions forcées, appelée aussi journée internationale des personnes disparues. C'est un événement international célébré chaque année, c'est-à-dire chaque 30 août de chaque année. L'expiration, pourquoi l'expiration et comment ça se fait C'est d'abord une stratégie de terreur. Les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Et nous constatons que dans les guerres, ou pendant les guerres, dans les conflits, un peu partout, les gens font ça. On enlève des personnes, on les tue, on fait pas mal de choses. Et là, c'est la terreur qui va euh, régner dans la zone et les gens vont vouloir fuir et partir et, et laisser la zone. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce mot-là pour expliquer à la population que la disparition, ce n'est pas uniquement volontaire, mais c'est involontaire également, et c'est surtout en période de conflit, de guerre, et de tout ce qui s'ensuit, que des fois on enlève, de fois tu entends parler d'enlèvement des femmes. L'exemple d'hier euh, sur la route euh, Gingimi-Difa, mhm. où des, femmes qui ont emmené une jeune mariée au retour ont été enlevées par Boko Haram. Mhm. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et il y a des familles qui n'ont pas le courage de dire parce qu'il y a des pressions, il y a des menaces, il y a n'importe quoi sur ces familles-là. Et quand la famille va tenter de parler ou d'expliquer qu'un euh, membre de, la famille a disparu, c'est que d'autres vont aussi suivre. Voilà ce que euh, j'aimerais dire euh, sur le mot disparition. Vous avez aussi prévu de donner l'explication de ce mois langzarma. Oui, eh, matakan da nake da su honda arkan gitan sar sannoga sanni zokir suban mantikala darayyan fot dare yon kegi ci wat foneng magine bora dare bora dare o fa bir zank flan dare hino nyanga de baba ibum bono go dare dare yango man ti bora ko man tuga tugano so kimi bora non ko tuga gidiya dare yango kati wat fon do bor ko kala sab ni di wongu wati fitin wati bore kan ko are nya e go bor yandi ko konde e igi tetam yan bor yanga dare ge nyeze se bor yan mo gata wongu wati kan dukunan ine in buko kar ba hunu ma hamburu hmm. donc bore kan go batmara igi zu kidirde igi dare ki seki de ko ni yan nga bore ge hamburi midira to wani sabu seno hayogo go bawa da fitinira dunya hube ka sigina na sarkin ga nations unis ana zarka an dunya rakan kan zari kul igate bori ka yangoge dara maga zaro a amantikal utta hando a jirbo waranza wo magano irna sanizo wo hunkuna Merci beaucoup euh, pour euh, euh, cet éclaircissement sur l'expression, sur le mot disparition. Alors, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyer des messages vocaux. Assalamu alaikum ‘yan uwana ‘yan Nijar mu da matan ga gabaki ɗaya ina muna fatan alheri. Mu duba Nijar a gabanmu, mu aje duk wani bambance-bambance, mu yi ma mu addu'a. Allah ya kare Nijar, Allah ya ɗaukaka Nijar, ba mu da wata ƙasa sai Nijar. babu inda za mu je mu ji daɗi sai nishar ƙasanmu babu inda za mu je mu yi walwala sai a nishar ƙasanmu to mu tuna da wannan sai mu aji duk wani bambance bambancen mu ƙasanmu addu'a zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki in ƙasanmu tana zamna lahiya mu duka muna lahiya lau duk wani bambance bambance za mu manta da shi insha Allah to Allah ya kare mu Allah ya kare ƙasarmu Allah ya ɗaukaka ƙasarmu Nijar. Wani a matsayina wanda na ga shiwon mulki da yawa a Nijar yana iya wannan shine wanda muka shiga cikin tsaka mai wahala. Rikici a haka daɗin haɗi gare shi. A tambayi wanda suka yi ya kunkuna da aka yi. Duk alkullun suke in aka fara rikicin kwana kaɗan an ƙare yaƙi. A ƙarshe ya ɗauki wajen shekaru. Don shi ne illa yaƙi ka san lokacin da zaka tada shi amma baka san ba ta yaya zai kare ta wata hanya zai kare na ni kiran da nake wa mutane shine san cewa mu niger tana cikin wani yanayi wanda kowane bangare ya kamata ya zuba ma kan shi ruwan sanyi a sayan da za a yi a zo a gyara wannan abubuwan musamman ma rikicin ya gwada mu cewa niger lallita mana da al'umma da ma mutum iya shakku wannan rikicin da ya zo ya nuna mu cewa a yanda mutane suka halka kaya gwada cewa Nijar lalle nasiyon ce al'umma ce kenan ya kamata wannan abin mutu gaje shi wanda zai kai mu duka magaba ɗayan ƙasa a zuwa zazzamana a yi nazari a sasanta yadda za a huta. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, Ali Moukela Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro. Et un autre duo. Il y a la technique, c'était Abdelkader Tombiano et Adama Douaki, qui déjà Isaka à l'édition. Excellente journée à tous. Bye bye.